au soir du 24 mars 2024 Réum Sénégal tabb nañu njiitum Boubès, son excellence monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye qui devient le président le plus jeune de l'histoire du Sénégal si continent Afrique Amna un ay njitum réew ñuko gëna et ay at E3B indil le top 5 des présidents les plus jeunes d'Afrique en cinquième position Denkei Dorani ak Mamadi Doumbia, colonel ay atam tolu, 44 ans Mingi le 4 mars 1980 ci ville Kankan Mamadi Doumbia, ci atum 2021 dit un coup d'état contre le président Alpha Condé jóge ci que le président du comité national du rassemblement pour le développement et enseignement minko école de guerre Neki diplômé de l'université de Paris En quatrième position nous am le président de la République du Sénégal Bassirou Diomaye Djakhar Faye et atam de 44 ans du le 25 mars 1980 Ndiaga nek inspecteur des finances que président de la République du Sénégal le 2 avril 2024 en troisième position dañuy am Assimi Goïta ay atam ci 41 ans Mingi Judou en 1983 Nek président de la transition chef de l'État et enseignement Minko mi militaire de Kati école interarmée de Koulikoro Neki, itam diplômé de l'école militaire interarmée deuxième position Dany am Mahamad Idriss Deby. Mahamad Idriss Deby a atam 40 ans ancien président du conseil militaire de transition du Tchad Mini le 4 avril 1984 fi Warren Yamena, N'Djamena officier et homme d'État tchadien Biwa waajuram Gagnon Idriss Déby en avril 2021 monèque le président du conseil militaire de transition puis le président de la transition faisant fonction de chef de l'État Kini le capitaine Ibrahim Traoré ay atam Tolosi 36 ans mi ngi le 14 mars 1988 à Kara ci commune Bondonki mu nek président de la transition du Burkina Faso nek chef d'état du Burkina depuis le 30 septembre 2022 T3B li la si les chefs d'état les plus jeunes d'Afrique ñu len di wax ngeen wéy di abonné ñu top ci suñu information